Égal, Teranga Subatel, donc merci de nous recevoir chez vous euh, donc à travers nos plateformes digitales euh, sans plus tarder je dis bonjour à Miss Météo bonjour Maïmouna. bonjour Jeannette. Non, ça va merci ngi si Merci bu baax yaa ngi si T'es tu es frais hein, <laughs> ak punch bi hein. ah. Je nga tey nii laa yeewoo. ah madame Faye. Yes <laughs> général très bien Maxime ah. <laughs> voilà donc euh, avant de démarrer la météo eu aussi beaucoup téléspectateurs voilà avant de démarrer rek ma fay Paquito sama xarit bi ma lay fay bu mm. également les heures et techniciens comme que dañuy caméraman di également les téléspectateurs yi ñuy chaque jour à travers la Teranga Sénégal. Très bien, le euh, mercredi 5 juin 2024 C'est euh, les prévisions du jour. voilà es le mercredi 5 juin 2024 Nous dormons comme toujours avec euh, le soleil fànk depuis 6h39 minutes 20 secondes et puis à 19h37 minutes 7 secondes est prévu le coucher du soleil. Mhm. nous aurons 12h57 minutes de soleil madame Tangorbi. 12h57 minutes les durer tey. Mhm. maanaam soleil bi depuis 6 h jusqu'à 19 h 12 h 57 minutes de soleil et puis le transit solaire est prévu à 13 h 8 inchallah inchallah Tangay 13 h 8. température matinale yi euh, Kédougou ak Matam euh, ñoo la maximale. avec mhm. 38 degrés la ñu yeewoo tey. 28. Saint-Louis nous avons la minimale avec 21 degrés. Mhm. Dakar moo si topp euh, de même Louga Kaulak ak Sejou. Mhm. L'accès du entre 22 euh, degrés et 24 degrés. Très bien. Voilà Podor 25 Kolda 25 aussi. Mhm. Tamba 27 degrés mhm. L'après-midi c'est un gorbi après le transit solaire qui est 40 degrés lañ fay de même qu'à Tamba. est 41 non mata maximale. Mhm. Top si euh, Podor avec 42 degrés, Louga 41 mhm. degrés. Saint-Louis, 32, Dakar 30 degrés, la minimale. Mhm. euh, Ziganchor 32 degrés, du 37 degrés, Kaolak 36 degrés, Kolda 39. En tout cas, la zone nord, la n'a de 43 degrés à matin Voilà, comme ça, on prévoit. Vu que le temps de, soleil est prévu à 13 h ñu bañ a génn heure boobu rek wala bu ñuy génn ñu fagaru bu baax. sol yére yu oyof. toog sax moo gën. naam si si toog moo gën a parce que naaj naaj bi jamono ji moom naaj bi day hmm. voilà et puis le soir après le coucher du soleil Kédougou 34 degré lañ fay xaar. Hmm. Matam 37 la maximale saint 23 la minimale Dakar 24 Louga 32 degré Podor 33. Kaolak 26 degrés le soir mhm. Tamba 34 Kolda 33 Ziguinchor ici 26 degrés le soir Inch'Allah. voilà. pour la mer euh, première marée basse euh, dem Lewon, 1 h 32 minutes. Mhm. et puis la suivante est prévue euh, tout à l'heure vers 14 h 3 minutes première marée haute 7 h 54 lañ astaghfirullah <laughs> la suivante est 20h11 après timis pour les pêcheurs comme d'habitude pour ne pas déroger à la règle le GPS la boussole et les gilets de sauvetage. MashaAllah la leçon, est, la leçon est sue, la leçon est bien comprise. Mhm. donc il euh, y suivre par rapport à Marie-Otièque, marie Bassi, Gégui Miferek, nous voilà donc euh, merci beaucoup euh, Miss Météo. on se donne demain pour la météo. Inch'Allah, je ah on espère bien parce que a mhm. <laughs> espérons météo bi changer tout. météo On leen taw. <laughs> Uh-huh. yàlla <laughs> très bien donc euh, on se retrouve quand. voilà c'était tout un plaisir euh, pour la météo on se retrouve demain Inch'Allah, même heure euh, sinon je vous donne rendez vous 12h30 pour la grande édition de la mi-journée. très bien rendez vous 12h30 pour l'édition de la mi-journée avec Adja Maïmouna Thiam on te remercie beaucoup.